un long partenariat que la Fondation a voulu mettre en place aujourd'hui dans la ville de Rufisque. C'est vraiment accompagner aujourd'hui les jeunes bacheliers euh, dans la poursuite de leurs études universitaires. Et depuis une dizaine, une quinzaine d'années, tous les ans, la Fondation Sokosim s'évertue à récompenser justement ses meilleurs élèves du département de Rufisque en leur offrant une bourse. Donc, euh, dans le cadre de cette année, on a quatre boursiers qui vont bénéficier juste de cette euh, bourse pour prolonger leurs études supérieures ici au Sénégal. Et il est heureux de constater que deux ou trois d'entre eux ont choisi l'école politique de Thiès, déjà qui est une référence aujourd'hui dans le système universitaire. Donc nous ne pouvons que nous réjouir justement de, cette, de ce partenariat-là aujourd'hui au niveau de la ville de Rufisque pour pouvoir accompagner ces élèves qui ont été quand même, on peut le dire, encadrés par l'inspection académique de Rufisque et je pense que aussi c'est un long partenariat qui va se mettre en place avec l'inspection académique du fisc pour pouvoir poursuivre justement et accompagner ces élèves dans leurs études supérieures. Euh, déjà, c'est un honneur pour nous déjà euh, de, suivre ces étudiants qui sont des, des, managers, les futurs managers justement, et qui peuvent intégrer aujourd'hui les entreprises sénégalaises. Donc je pense que c'est un honneur pour nous aujourd'hui de former des cadres managers sénégalais ici au Sénégal et qui vont servir justement dans des entreprises. Et je crois savoir que la première boursière est médecin donc, et qui sert, je pense déjà ça c'est un excellent résultat et nous ne pouvons que nous réjouir justement de cette avancée-là. c'est parce que Soko Sin Industry dañ ñu tay jappalé ndax ñom ñoy sét ñi nga xamné ño gëna xariñ ci suñu xalé yi doon def bac surtout ñu jigéen ñi ñu jël ay euh, raaya takal leen ko ba paré jox leen ay cadeau té lool buñ ci yam dañuy and ak ñom ci fañu jëm nga xamné étude yi nga xamné dañ ko def après bac ñu gungé leen parce que li ci gëna am solo moy ñi dañu nekk suñu xalé yo xamné dañoo xariñ ba tabara machallah mais day ñoo xam dañoo nangoo toog ci dëkk bi xam ne dëkk bi ñu toog nga xam ne li ñu am lépp ginnaaw yàlla dëkk bi moo leen ko jox état bi moo leen ko jox ñoom dañoo am yéene yi toog fii eggale seen jàng delloo loolu ci biir dëkk bi nga xam moom moo leen ko jox te ci biir delloo boobu partenaire bu mel ni sim seetaanu leen daf leen di gunge moo tax man ma ne sim xay na lii moom la ñuy dundi nii ngeen di ko gis mais ànd nañoo ñoom ci fànn yu nekk fu nekk lañ ñuy taxaw ci tabax ay classe ainsi de suite moo fi nekkoon di ko lim duñ fi jóg donc ñuy sant bu baax Sococim industrie di sant monsieur Préra mu transféré suñu tante yoyu la fondation sokosim aussi di wax né académie bi tay bu démé ba mëna am ay élèves yu melni c'est parce que dafa am ku fa jappalé fexé ba condition yi élèves war a nekk pour mëna nek ci kaw ñu nek ci té lolu buñ ci dé lim sokosim lañ ci njëkk lim. J'avais déjà fait le concours d'entrée à l'école polytechnique de Thiès et que j'ai réussi et je vais y aller pour faire deux ans tronc commun et après faire une spécialisation. Donc j'avais choisi, je voulais devenir ingénieur aéronautique ou ingénieur en génie civil. Que permettre à ma que voilà, il y a, y, a, des gens qui nous soutiennent. Nous sommes et ils sont là pour nous soutenir. Nous sommes